Donc nous sommes en train de miser sur le tourisme interne. Le tourisme interne, c'est les Nigériens. C'est la classe moyenne nigérienne qui a les moyens, qui voyage, mais qui, au lieu de, loger dans les hôtels et restaurants nigériens, préfère aller en famille, se mettre dans la promiscuité avec des parents pendant leur séjour. Et c'est cela que nous voulons revoir pour que le secteur puisse profiter de ça. Il faut une nouvelle stratégie. Et cette stratégie, elle implique aussi les professionnels qui, sont, qui seront amenés à revoir leur offre qui est pour le moment positionnée sur le tourisme, le tourisme extérieur. On doit la repositionner sur le tourisme nigérien pour faire une offre adaptée à la bourse de la classe moyenne. Au lieu qu'elles envoient leurs enfants au Canada ou à Dubaï, puisque déjà ces pays sont fermés, c'est de les envoyer découvrir le Birni de Zender, de, les faire découvrir les montagnes de l'Aïr et les faire découvrir le Goulbi de Maradi. Pour que le tourisme intérieur fonctionne, on est obligé de s'orienter vers les campements, les bungalows. Et cela est tout à fait faisable. C'était notre politique avant ces années-là. C'est depuis euh, dix 10 ans qu'on a commencé à avoir grand et à investir. Sinon, avant, toutes les villes du Niger, il y a un camping touristique et il y a des campements. On avait Namaro, on avait Rio Bravia, on avait Atilaberi, on avait Boubon. Ça, ce sont des structures que les Nigériens peuvent fréquenter. Et vous avez vu, le ministère a mis en place les comités régionaux de développement du tourisme parce que nous souhaitons que les stratégies touristiques soient prises en compte au niveau régional et par les collectivités territoriales. Parce qu'une commune, les collectivités territoriales s'approprient le tourisme pour que la rentabilité n'aille pas seulement aux grandes compagnies, mais aussi à la population locale.